waaw bi à euh, yi convoqué nañ à 9h à l'école ñew nañu 9h jël euh, numéro ak sen quittance bi ñu aussi euh, tok nañu ak ñom waxtaan ak ñom jox len ay yi pour ñu def examen bi ni waaw école bi de ñu ngi xaar préparé bu euh, centre bi ñu ngi parce que centre bi ci centre yi gën a mag la bokk ci Thiès waaw parce que ñetti école ñoo défé, école Gabriel Ndione école Petit Charlie ak euh, Salma Touti. ñu ngi wara xaar ay 228 candidats candidats yooyu parmi eux 15 candidats libres. voilà suñu école bi depuis des années centre là. waaw nous avons amené euh, six salles préparées déjà pour candidats les candidats au nombre nous ngi au nombre de 227 candidats. waaw préparé vraiment parce que aussi CM2 nous avons rek certificat parce que CI est CM2 Nous avons nañ grève tamit bon mais les maîtres euh, maîtres dañ doon rattrapé ñëw nañ sax ay heures ay samedi yoo xam woon jàng ak yenn fête yi dañ daan ñëw voilà les mercredis soir les lundis soir yëpp dañuy ñëw di def ay renforcement pour euh, dabaatal yi nga xamante peut-être ay ñu xamul woon la. suñu heure njàngale bi li ñu sasoon ci at mi yëpp jàngale nañ ko ni mu waree te def nañ li ñu war waaw yaakaar nañu ne vraiment ren ji moom ak lépp effort yi ñu gën a defaat. ak xalé yi ak équipe enseignante bi ak mobilisation bi am ci école bi résultats yi dinañ 100 Depuis ce matin vers 9 h nous avons accueilli nos candidats avec toute l'équipe pédagogique pour leur donner les dernières recommandations et les consignes pour pouvoir mieux se préparer pour ces examens qui vont se dérouler à partir de demain, les 22 et 23 juin 2022. Bon, on a préparé notre centre. On se prépare à accueillir 228 euh, candidats. Parmi eux, il y a 15 candidats libres, peut-être qui, avaient fait, qui ont réussi à l'entrée alors qu'ils n'avaient pas le CFE. Donc, ils sont 15. Euh, on reçoit l'école Petit ici, à Gabriel John, ainsi que l'école Salmatouti. C'est pourquoi c'est l'un des centres les plus grands ici hein, à Thiès. Les apprentissages, ce n'est pas le CM2 seulement aussi, quoi. C'est du CI au CM2. C'est une évaluation certificative. Donc, euh, et puis les maîtres de CM2 ont pu, euh, ont pu rattraper. Hein. Ils venaient même les samedis et tout ça les vacances aussi, comme les vacances de Noël, Pâques, là, souvent ils viennent à, l'école pour faire des renforcements. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu. On n'a pas eu de perturbations cette année, vraiment. Les cours se sont déroulés normalement. Voilà. Nous avons respecté notre quantum horaire, vraiment. Et on n'a pas à se plaindre concernant le euh, temps. Le quantum qui nous était imparti, nous l'avons rempli. Les enseignements apprentissages depuis le mois d'octobre se sont déroulés normalement et aussi nos vacances aussi, on les a pris à l'heure normale, autant qu'il fallait.